Euh, di jëkkati euh, ay au nom du comité de développement sanitaire du poste de santé de Nyangal. di ngeen a baal ma def discours en français après bon du discours sax ay kàddu yu ma français pour suñu mbok gan yi su paré ma djublu si suñu yaay yi suñu yi alors je voudrais euh, à l'entente de mes propos donc me présenter je suis le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé de Nyangal. Euh, je m'appelle Ubre Diagne. Donc, euh, c'est depuis, euh, en tout cas, à peine deux ans que je suis dans le poste avec mon trésorier qui est à côté de moi. À côté aussi, nous avons le président, le vice-président, monsieur Ousmane Omar Gueye, qui n'est pas là aujourd'hui, et, son, et l'adjoint au trésorier, nous, car nous formons le bureau avec euh, évidemment l'ICP, euh, chef de poste, infirmier chef de poste, Monsieur et la charge femme d'État, Madame Fatou Diop. Alors, euh, le comité de développement sanitaire, comme vous l'avez entendu, euh, c'est l'organisation qui se charge un peu de s'occuper du fonctionnement du poste de santé. Et il y a une autre structure supérieure qu'on appelle le conseil de direction. Le conseil de direction est dirigé par la mairie. Nous avons envoyé un courrier. Je le dis bien, je le répète parce qu'on n'a pas vu leur présence. Mais nous avons envoyé un courrier au président du conseil de direction. On l'a appelé, il n'est pas chez lui, mais on, a, on lui a dit que vous avez un courrier, on doit recevoir du matériel médical. Le matériel médical, ça c'est, moi je dirais que c'est la troisième ou quatrième action de l'association Essence Toubap. Parce qu'il y a deux ans, nous avons lié un partenariat avec cette association, grâce en tout cas à à Aïssatou Faye qui est là derrière nous, mais grâce à elle, nous avons pu décrocher ce partenariat avec Karine et Essange Toubap. La première action qui a été effectuée, c'est de mettre à la disposition du poste de santé des lits et des matelas, en plus des draps. Là, on l'a vu parce que quand on a pris le poste de santé, l'État était vraiment chaotique. Mais quand ils sont venus en visite, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas du tout de lit. Et ils ont donné des lits, ils ont, fait des lits à hauteur de 1,8 million qui se trouvait en tout cas une, valeur de 1,8 million euh, et là c'était 13 lits que nous avons répartis entre le dispensaire et le et la maternité. Après cela aussi, ils ont fait l'étanchéité parce qu'en période d'hivernage, on avait de nombreuses difficultés parce que les femmes devaient accoucher, mais il y avait l'eau qui coulait de partout. Et du coup, ils ont pensé à faire l'étanchéité et nous l'avons fait grâce aussi à l'échange Toubab, l'association Échange Toubab. De la même manière, au moment de, la, euh, cette pandémie, on a remarqué qu'à Yen, c'est nous qui avons démarré, nous avions eu l'initiative de distribuer des masques à toute la population. Et je me rappelle, nous avons fait plus de 600 000 francs CFA en, en, tout cas en nature, on a transformé ça en masque. Parce que c'était de l'argent qui était envoyé par l'association pour refaire le poste de santé. Mais comme il y avait une urgence, cest la pandémie, et tout le monde pensait en ça, on a fait un virement de crédit et c'est là qu'on a pris l'argent qu'on était destiné, en tout cas, à refaire le, le, le, poste de santé pour acheter des masques. La comptabilité avec Ayou et les papiers sont là disponibles. L'autre aspect, c'est de refaire la peinture. Et là, ça vient à, son heure. Vous venez parce que nous avons d'énormes difficultés en termes de matériel médical et vous avez déboursé avec la fondation Sanofi et que nous tenons à remercier au passage. Et je voudrais que l'on applaudisse euh, vraiment la fondation Sanofi pour cet acte noble. Euh, nous avions envoyé une liste de matériaux, de matériels médicaux. Et avec cette liste-là, vous avez tout acheté. Ce que vous avez vu ici comme matériel, il y a des nébulisateurs, il y a aussi des obus d'oxygène, il y a des boîtes d'accouchement, il y a des tables, trois tables de consultation, trois tables d'accouchement, des tensiomètres électroniques qui sont au nombre de cinq, euh, autoclave 30 litres, il y a aussi les lampes baladaises, il y a des berceaux, trois berceaux plastiques que vous avez vus devant vous, il y a aussi des, des stéthoscopes de pinard, il y a des aspirateurs électriques, toise adulte, pèse bébé et pèse personne. Il y a aussi des embouts d'oxygène, bassin de lit, des compresses stériles, coton, hydrophilique, hydrophile, bétadine jaune, bétadine rouge et des gants d'examen. Tout ce que je viens de lister ici, la valeur c'est 3 253 000 selon la facture dont je dispose. Et ça, c'est grâce à votre apport que nous avons aujourd'hui, en tout cas nous, que nous bénéficions aujourd'hui de tout ce matériel qui est très important. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis enseignant, en tout cas de profession. Mais je sais que, en tout cas, Fatou va y revenir ou bien Tonto Fofana. Mais c'est un matériel qui est très bien, en tout cas, qui est utile pour nous, mais pour la population. Alors, je voudrais, au nom du comité de développement sanitaire, au nom de la population de Djalaou, vous remercier. Vous dire que les actes que vous faites, ce sont des actes tellement nobles que vous n'en mesurez même pas, en tout cas, la portée. Parce que le fait de nous procurer un lit et qu'il y a un malade qui vient, même s'il a quelque chose qui lui fait mal et qu'il est soulagé parce que seulement il est tranquillement allongé dans un lit, ça, ça fait quelque chose. Et ça, c'est notre objectif. Moi, mon objectif ici dans ce poste, je l'ai dit à tout le monde que je fais trois ans, je démissionne parce que j'ai une mission à faire. Le poste, je voudrais transformer ça, en tout cas avec le comité. On voudrait que ça soit un centre de santé. Et je vois que c'est possible. Nous, on voudrait avec tout le monde, votre appui, notre appui, la population, que l'on puisse transformer ce poste-là en un bijou. Parce que je sais que les femmes qui sont là, elles travaillent dur. L'ICP qui est là travaille dur. Il n'y a que ce poste de santé qu'on voit, les gens travaillent 24 heures sur 24. Dans les autres postes où vous y allez, les gens la nuit, c'est rarement qu'on les voit travailler. Et on ne les paye pas. Les gens qui travaillent ici ne sont pas payés. C'est à la fin du mois, on vend des tickets on vend des médicaments. Le bénéfice de ces médicaments et de ces tickets-là, c'est à part de ces bénéfices-là qu'on essaie de trouver, on fait des dépenses pour acheter, pour payer l'électricité, pour payer l'eau et pour faire nos dépenses, acheter encore des médicaments et faire des quelques dépenses de soins. Et on paye ce qu'on appelle, on, paye les femmes de ménage et le reste, on distribue aux ASC. C'est comme ça que nous fonctionnons. Aucune autorité, malheureusement, n'est venue en appoint pour nous aider dans ça. Et je le dis, c'est un cri de cœur. Et je voudrais que les autorités m'entendent pour que demain aussi, qu'ils sachent que la santé est une compétence transférée et qu'il leur appartient de venir au bout de l'effort pour aider ces, ces vaillantes femmes qui sont en train de travailler dans ce poste de santé. Et ça, je fais un appel à tout le monde. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Vous, vous êtes des partenaires, on vous a décroché. Mais je sais qu'il est beaucoup plus facile pour l'autorité de décrocher un partenaire qu'un simple citoyen de la population. Nous, on en fait une ils peuvent en faire 10 ou bien 20. Et ça, c'est un appel que je fais à toutes les autorités, aux personnes qui sont des, en tout cas des, des, des, porteurs de voix, qui peuvent véritablement donc nous, euh, euh, en tout cas euh, faire passer ce message là alors si wolof Mangi ngi jégalu poste bi lan lañ de doon yàlla dafa Il y a assemblée générale fille, man nekon, nekkoon man man man la ñu faloon ak euh, Omar Gueye ak Diagne Ndoye ñun la ñu fal ñun ne ñun ñoo yore comité de développement sanitaire bi comité de sanitaire boobu nag yéen xam ngeen li ñu tax a jog li ñu tax a jóg mooy fexe ba dispensaire bi poste santé bi képp ku fiy dugg boo ñëwee même boo sonnee bu bëgg a dee boo ñëwee fii nga am au moins confort boo xamante ne moo lay permettre ñu mën la faj parce que ñiy faj fii ay jàmbaar lañu guddee bëccëg subaax ngoon ñu ngi fi nekk di def lu ñu man muy tondoo Fofana bi xamante ne vraiment dama bëgg nga ko bu baax baax a baax euh, di di faatu di di di Fatou Diop bi xamante ne mooy sage-femme bi mais nag aussi dama bëgg ngeen defal ma mention spéciale mention spéciale jigéen ñi xamante ne ah ASC yi xamante ne ñoom ñooy liggéey fii nii wax naa ko sànq sama biir discours ma ne ñoom ñii kenn fayu leen amul benn autorité bu leen di fay médicament yi ñu jënd ñun di ko commandé di ko jënd di ko jaay ji bu ñu ko jaayee ku ñëw fii ñu jaay la médicament jaay la ticket bu weer wi deewee xaalis boobu si la ñuy génne lu ñuy jëndaat ay médicaments génn si fay courant fay ndox jënd ay ordre de javel ay madaar pour ñu mën a raxas fii dépense yi ñu si mën def ñu def ko si bu ñu paree aussi xaalis bi si des noonu la jël ñu xaajee leen ko ñoom ñi weer day dee ku si nekk dina yóbbu sa kër ñeenti junni wala ñetti junni ku leen gis fi ñu yaakaar bi lu jeex ñu am ay ñetti junni ñeenti junni la yóbbu seen kër des da ngay sax ruus pour jox leen ko mais ñoom seen dëkk moo leen ñor moo tax ma leen ngeen defalee mention spéciale des femmes yi nii. ak ñoom Demba Demba Ndiaye moom man dama naan rek dañ koy bàyyi yàlla Demba dañ koy bàyyi ak yàlla. li tax ñu koy bàyyi ak yàlla mooy que ne Demba jombul lay tey li muy am fii mënu kaa sax sukkare ndekkeem weer mais gis nañ ne chaque chaque fois mooy mobiliser gis nga acteur yi yëpp bâche bi bu taxawee ñoom ñoo ko taxawal tey acteurs yi bu ñëwee fii bu setee ñoom ñoo ko setal. donc tey bu ñu def sensibilisation ñu dugg si dëkk bi ñooy informé man new ma si milieu bi mais xam naa ne coono bi ñuy coono mérité nañu salaire boo xamante ne dañ leen di recruter di leen fay salaire. te loolu jàpp nañ ne te loolu jàpp nañ ne dafa nekk lu war parce que li ma wax sànq mooy que ne santé dafa nekk loo xamante dañ ko askanele collectivité locale ñi xamante ne ñoom ñooy gérer yéen ñoom ñoo war a jël santé seen loxo ñu jàppale santé jalaaw parce que santé jalaaw dafa tumburanke dafa feebar gis nga nu mu amee noonu la santé jalaaw feebare poste de santé bi bi ñu koy doog a jël laal sax boo toog parce que laal boo toog ponte yi jam la c'était ça la vérité ponte boo toog mu jam la ba ñu ñëwee gisee ah ñii si la ñu ut ñu defal ñu jëndal ñu ay lal ñu commandé ko kel ñu dem jël ji lal yi teg jël ay matelas teg actuellement boo leen xoolee poste santé bi du ma leen lépp baax na de parce que man dama jàpp ne ñu ku nekk danga nga am objectif ñun suñu mission wax naa ko Fatou Kelle mu may ma nekk man trois ans laa fi am. su ma defee ba pare damay dem sama yoon keneen ñëw eggal yi parce que loolu laa gëm parce que nit nguur kenn du ko ñëdd te jàpp naa ne poste santé bi ku nekk war nga sa mën a def sa participation pour que mu jëm kanam parce que suñuy yaay ñoo fi fajoo suñuy doom ñi fajoo suñuy rakk suñuy mag fi fajoo ku nekk man man mën naa faju clinique wala ma faj feneen waaye sama yaay bëggee faju fii lay ñëw moo tax poste de santé bi ma jàpp ne ñoom foofu na ñi dañ leen war a jàppale li leen mooy ku nekk na nga taxaw am na kayit gu ma yor sànq lii

jàpp ne man boba inshallah allah Amintone vient, on a réussi notre mission ñu ngi leen di gërëm di leen sant li ñu tax a rek moy liggéey pour askan bi ñi li ñu def nii jombulee mën naa faj mën faju mais sama jël bu bëggee am dom si si la yi lay teud donc nañu góorgóorlu balal yi ba fa may tëjee nak moy remercier le lycée parce que lycée bi aussi je crois ay partenaire la ñu te aussi dañu ñëw and ak la fondation en tout cas l'association échange tubaab euh, lycée bi yalla def euh, ñun ñu liggéey ak ñom parce que man mi ngeen di wax ni malheureusement acteur développement la newoon naa association parents d'élèves jappana naa sax lolu mo gën tax keroog bañ may déplacer gaay yi gudd lañu ma fi jël sa yóbbu ma euh, parce que dama fi nekkoon président jury BAC ba affaire demee ba xawa metti gaay yi ne Ibra Diagne mu président jury BAC ja ñeen ta wa yéen la jombulee dina may xalé ya BAC keroog bañ may woo dimanche di ma jël sa di ma yobbu Koumpentoum métti woon na trop mais ba ma jàkkaarloo monsieur Tine ba ma jàkkaarloo monsieur Tine mii ma wax ko lii xew mu ne ma Ibra mu ne ma jëlee sa courage entre deux mains nga dem Koumpentoum nga def sa liggéey nga ñibbi sa waat jour boobu wallaahi azim ñoom ñii ñoo ma ñoo ma dooleel. ñoo ma dooleel ba ma dem ba ma ba ma dem ba ma dem Koumpentoum lépp lu ñu def suñu askan mooy mooy ñor lépp lu ñu def jëlaamata ñu koy def ma leen di gërëm moo proviseur parce que trois jours la travaillé ak ñoom mais ñu na professionnalisme boo xamante ne man daf ma yéem ma ñëw nekk président jury BAC ñoom ñu ñëw ànd projet de xool sonal ñu ma dara ñëw taxawuma taxawu élèves yi taxaw pour BAC BAC bi jaar yoon parce que loolu nit jub foo mën ne si àdduna da jub jub rek moo am solo même boo nekk sa biir kër ñu jox la gérer sa waa kër na nga wane jub goo xamante ne mooy tax ëllëg foo dem nga yóbbu loolu noonu moo tax ma leen di sant ba ma demee Koumpentoum am fa dara donc wax ji bëri na wax ji bëri na maa ngi jégalu bu baax a baax a baax li ñu sonal rek li ñu sonal rek mooy jalaaw ñu ñaan yàlla ñu ñëpp nañu góorgóorlu pour que jalaaw gi ñu téye ko pour mu avancer parce que jalaaw gi sa mooy suñu léegi maa ngi gërëm wasalaam wasalaam